Comme, comme, plan par rapport justement à ce parrainage. Qu'en est-il maintenant de la candidature de, de Ousmane Sonko Est-ce que ça veut dire que rien euh, baisser les bras euh, bala maa tontu ci laaj bobu dina bax touti ma wa touti ci sama mag li mu wax léegi mooy euh, monsieur Touré Khafour mm. sank dafa wax ni en fait maanaam affaire candidature ça ne l'intéresse pas du tout parce que sénégalais bu jug rek warna meuna nek candidat mm je suis au regret parce que grand en fait tout à l'heure yow y a fàttali nii dañu dans un état de droit un état de droit c'est un état organisé la candidature du comme Madame constitution bi le code électoral dans nos ay ay charte Madame, de critères yo xam faaw nga matal prétendre candidat à la candidature loolu dama bëggoon ñu leeral ko parce que du ku jóg rek mën a nekk maanaam candidat ci réewum Sénégal. d' accord waaw dina dina dina dina leeral. non mun naa leeral parce que non attendez attendez attendez Ah avoir, il faut avoir, il faut avoir, il faut, il faut avoir l'aimabilité également. Am ah, vous savez, man, ah. man, wax naa ko tuuti fu may toog ci débat nee ne damay bëgg bu nit di wax ñu bàyyi ko mu wax ba geex waaw bu la neexee bu paree après nga appal. waaw amul problème wax yag na lool. maa ko ci ma tok ginaaw bi euh, sëriñ bi wax na ba jeexal ma tok kii boo ko bàyyi ma ma leeral damay wax ni en fait nous devons critiquer accepter qu'on critique nos idées c'est un choix d'efficacité un choix moral et c'est le meilleur moyen d'éviter la guerre donc bàyyi ma ma continuer li ma wax ñoo bokk fu le PDS m'a enfanté xam naa mais mais defal nank defal nank dañu am habitude di dag wax te loolu c'est pas bon defal nank rek nan waxtaan ci waxtaan woo xam ni ñi ni diglu dañ ci mën a jariñu wax nga sa wax ma ma des li ma xalaat boo ci d'accord boo jëlaatee kàddu nga wax ci li nga xalaat mani nene dafa wax sànq loo xam ni dafa jar ñu am ñu bari ñu ni monsieur Diatta ci réew mi loolu nag bu amee lépp équivoque dañ ko dindi ci débat bi Sénégal bu fekkee dañu sukkandiku ci yi état de droit la de droit dafa am ay keno keno yooyu faut ñu di ko di respecté kon du rek candidature loolu yoon candidature yi amul solo le problème soir, c'est l'histoire du problème parce que tey euh, sama mag di Aliou Sow wax na sànq ni maam bu ñu tàngal ak ay candidature lu am solo la xamul tax parce que candidature yooyu ci lay maanaam lii xam ni mooy defar réew mi di di tukkee kon loolu saytu ko lu mat a lu mat a bàyyi xel la kon buñ ko buñ ko soofantal hmm. ndax ne ne maanaam bala nga ni naam ne fa maanaam lii xam ni moom la Alioune bëgg ñu teel ko ko mooy phosphate baak orange bi ak yooyu ay homme politique ñooy hérité réew mi buñ ko hérité maanaam ñoom ñoo koy doxal kon ñoo ñu càmbar leen dafay am solo. Mhm. boo gisee sénégalais yi gar seen bakken ci Ousmane Sonko mooy dañoo xam ne rupture bi xam ni kii di Aliou Sow moom lay woote. monsieur jaata wax ko sànq ma dégg ko loolu la sénégalais yi am yaakaar ci kii ñëw Ousmane Sonko ma fàttali leen ni la Ousmane Sonko tey la gën a nekk kandidaa fii ci réewum Sénégal. parce que nit pour ñu mën nous téré mu nek candidat. Mhm. nee la ci état de droit dafay am ay incapacité or dans le cas d'espèce amul une incapacité pour frapper qui dit le leader en fait donc du passé, muy que Osman wax Ousmane Sonko Ousmane Sonko est est électeur Ousmane Sonko est éligible au regard effectivement de la loi parce que amul une décision de justice bu de manière définitive et légalement. écarté ko ci processus bi loolu dama bëgg xafoor ñu déggoo ci xam nga waxtaan gis nga man mii wax xafoor euh, man naam yàlla natt na ma ma féeteeg moom tey mais gis nga fi may gis même ni may féete féeteeg moom bu ma gisoon loo xam ni dëppwul ak yoon fii laa la koy wax ni la Ousmane Sonko mën a nekk candidat mais li ma la mën a leeral mooy mhm. fii ci réewum Sénégal bu fii may wax ak yow amagul benn nene cëslaay loo xam mën nañ caa sukkandiku ni Ousmane Sonko mi mënta nekk candidat amul léegi nag au plan politique parce qu'aujourd'hui, les sénégalais sont scandalisés je ne sais pas si vous le savez parce que nous avons une administration soumise aux caprices du régime politique c'est ça la vérité au Sénégal et c'est regrettable l'image de marque d'une administration c'est sa neutralité M. Diatta hmm. l'image de marque hmm, Néné d'une administration c'est sa neutralité aujourd'hui ce qu'on rencontre c'est quoi nous avons une administration politique soumise aux caprices du prince pour preuve jëlal la DGE dernièrement son attitude ça pose problème ban xamee ni eh, baneen ki a mis mooy càmbar élection de la Sénat jël na li prédisposition pour pour Madame dëggal li xam ni mooy li yoon wax nun mujj def nu un décret dissoudre ñooñu boobu administration maintenant nañ y a ci wàllu élection c'est un problème Moi dans sénégalais mënunoo bañ a wax ci candidature parce que ñi xamni ño def ay pexé bëgg duggal ci bop Sénégal yi ni leen kii di Ousmane Sonko mënta nekk candidat nonu lan commencé ba Ousmane Sonko ci stratégie ni Ousmane ni Bassirou Diomaye Faye candidat la nonu grand sow noonu leen waté ay ay ay ay nu ñu koy woowee ay doomu aadama ci plateau yi ñi wër di wax ni ah kii di Bassirou Diomaye Faye mënatu la nekk mënta nekk candidat parce que man article L57 da koy c'est absolument faux tey loolu maanaam kenn mënu ko cautionner ci état bi nu nekk ci réewum Sénégal waaye nag boo gisee nit ñi ragal di ca wax pour leeral ko nit ñi mooy dañ ni ku ndëmin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw parce que tàmbali nañ ko Ousmane Sonko duñ ko yemal ci moom te lu ñu dégg ci kàddu maanaam ñi xam ne ñoo ŋànk réew mi tey mooy que ni képp koo xam bokk nga ci formation politique Ousmane Sonko yow doo nekk fii candidat ci réew mi loolu fan lañ ko teg euh, kii euh, soxna Nene xana ci doole waaye tegu na ko ci wàllu xam-xam loolu nag. Mhm. ñi xam ne ñoo ŋànk wàllu mel war nañu jël responsabilité pour effectivement loolu dañ ci réew mi. parce que am réew kat lii tax mu dox ci jàmm mooy nit ñi nungoo sàmmonte ak li xam ni ñun d'accordoon nañ ci ànd doxe ko xam nga sànq wax nga sànq nii da nga ne ci état dafa am ce qu'on appelle le pacte républicain mais il y a un pacte. beaucoup plus important que ce pacte mooy le pacte subjectif on l'appelle pactum subjectionniste bi xamni ni. mom lay population yep di adhéré xam lu tax ñuy nungu di bu président de la république jaaree ci tali ñu nungoo wàcc Ousmane ok Nene parce que danoo signé ni moy suñu njit njiit njit njiit pour mhm. pourvu mu respecter également les droits. en fait donc de ses concitoyens mais ci réewum Sénégal Xafoor wax na ma sank ni ma da nekk ci état de droit mais nekuñ ci état de droit. ah bon état de droit c'est défini par nos pères ñi xamni ni seen xam-xam dafa match jëm ci walu mel nan lañ ko caractériser Jules Jatta. Hmm l'état de droit même le système démocratique a am des conséquences li ci est un état de droit xam nga état de droit mooy la nen c'est état boo xam ne loi yi ak institution yi amunu xaj amunu sen lol ci Sénégal nak mo fi ne même loi bi xamni mom def loi bi ngeen jël ni c'est cette loi là c'est c'est c'est anticonstitutionnel en réalité. quelle loi. moy la loi électorale les modifications qui ont été apportées d'accord d'un ben, ci débat technique euh, grand mais mais aussi dans un état de droit ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs mm-hmm. mais aujourd'hui est-ce que la réalité le Jules Sénégal Sénégal bumbi lu dem na sax ba plateau bi ku fi wax lu ko fekk police ak gendarmerie ci biti ñu lu ci état de droit état boo xam ñetti pouvoir ñoo fi am pouvoir bu ne dafa am ay ak ak yelleef yu ñu jox sañ-sañ yoo xam sañ nga koo doxal yoo xam kenn mënu a mais fii ci Sénégal président bu mooy toog fële wala am ministre di digal maanaam koo il est totalement étranger ak moom service am ko loo xam ni ak yoon xamal la ni kon ni état de droit bi signe bi critère bi état de mais c'est un état en fait donc du peuple par le peuple et pour le peuple

wax la jo xam moy jani réew mi mom moom monsieur saw dafa wax ni nanu préserver li xamni moy les les les les ressources naturelles de ce pays réew mi Sénégal amna na phosphate am fer chirgon amna fer amna or amna pétrole. manam pétrole amna des espaces étendus am une jeunesse valable mais je ne veux tax ñu je a lépp ci bitim réew euh, c'est parce que réew mi na ko son na oh, di qui woon nan tudd na ko Senghor Sénégal am na njël waaye amul aawo bu baax <laughs> loolu moo nu Je maam Lolo ne ko mu jël dépense ba matalé ko ci anam bo xam bu ko téggé ndab kenn ko né man gis bopam manki ci réew motax ndaw dem mm-hmm. la vérité kon Abdou Khafor bu nu maam Sénégal euh, maam ci continuité la bëgg a dem daa fekk xëy na ci biti xam ba xam li xew sànq leeral na ni nu ni Ousmane Sonko euh, maanaam dafa maanaam wax ni nan ne kii di kii di jo Bassirou Diomaye Fay maa di la xamal ni la Ousmane Sonko ku la ci wàllu politique fa mu toog 2024 la ah coolee maa la Manuel ba 2024 mooy déterminer maanaam nan lay maanaam espace politique bi di di doxee seetlu rek la ni la li tax maanaam ñoom ñoom grand grand grand son projet politique c'est un projet est xamni quatre phases xam man pas parce que mom mel mom rek mo am ni compréhension wu mm. ñaari phase yi xam déroulé ko ñaari mom deuxième bi Bassirou Diomaye Faye mais Bassirou Diomaye Faye bobu defal tuuti ab ab diir bu gat di nga gisaat laneen lu la yëm yow soxna soxna soxna nene ba do talati manam ki di wax manam Bassirou ak lu mën xew. moy benen candidat ak lu mën xew ak lu mën xew. maa ngi lay xamal ni la. maître est-ce que moy benen candidature. li ma la mën xamal rek moy parce que on parle aussi de la mel mom rek. mo xam nan lay dérouler manam sa stratégie. la euh. inshallah allah suupa di nga gis leneen lu la yéem ci Ousmane Sonko lol la xam li lay firi. mooy que ni Ousmane Sonko dafa xam réew mi ni muy tëdde xam ki jiite réew mi naka la doxale te ak lu mën a xew mhm. incha allah ak lu mën a xew mhm. Ousmane Sonko mii xam ni mhm. moom lañ bëgg a maanaam gàntal ak candidature lenn lu ko mën a tee bokk ci élection yi gisuma ko benn ah ñaareel bi ak lu mën a xew moom la wala njabootam ndax loolu sénégalais yi ci boppam nga xam ne ñoo le peuple souverain xam nga sànq ne nga seul le peuple est souverain mais fekk loolu dëgg la ci yéen mm. kon di ngeen respecté peuple bi li mu wax parce que mënoo woote maanaam yow ba nga ca njëlbeen ba nga ne nan def élection mm-hmm. nanu def maanaam candidature yi maanaam li ñuy wax mm-hmm. mais da nga dégg benn engouement ñëpp dañ ne teg xamul parce que borom réew mi waxagul woon borom réew mi weesuwul Ousmane Sonko fam toog la toog li mu bëgg ci réew mi moo fi am loolu nag moo leen di bëgg rey waaye yaakaar naa ni képp koo xam ne nii taxawaay Ousmane Sonko day maanaam naqari soxol am nga problème fii ci réewum Sénégal ndax sénégal yi dëkkee réew mi ñoom ñoo ko xamal ni ko. ñun yow ñun yow la ñu bëgg loo wax la ñu wax loo waxul waxunu ko te loolu feeñ na parce que même parrainage yi tey. waxuma maanaam dem di pare ni ni mais xafoo man damaa dëkk ba Ndiaye maanaam yor un parti politique di son allié dafa nag j'en termine j'en termine j'en termine j'en termine mbokk Taïba Ndiaye bi ma bu ma demee wax mes collaborateurs ni leen dem leen ngeen parrainé ji kii di bassiru Diomaye Faye mais Jules Diatta mmh. waxuma ab parrainage mais koy pare ne day gën ci poosam kii nan tudd mmh. euh, Grand Sow ne la lii man maa ko teg pour kam candidat bi mën a am lu mu campagne loolu xam lu mu firi mooy sénégalais yi tànn nan ba pare ki nu tànn kenn la mooy Ousmane Sonko alors euh, <laughs> euh, loolu peut-être au soir du 25 février 2024 dans l'Union am lu tout à l'heure il faut intervenir par rapport à lenn lu ma candidature alors euh, Abdi maître Abdi je pense que j'ai écouté 12 minutes hein, j'ai chronométré mais je ne ferai pas autant de temps D'abord, parce que dafa introduire pour Albert sama wax man li may wax dafa Je dama bëgg ku parce que bugguma ñu may waxal lu ma waxul dama ne te li ma wax dama ne ku bëgg a nekk candidat sénégalais bu nekk am nga droit ni am intention ni candidat la sénégalais bu nekk am nga droit ni se dama bëgg a nekk candidat sénégalais bu nekk am na droit loolu bokkul ak constitution ma teg ci ne deuxièmement pourquoi du wax ci débat juge électoral moo am conseil constitutionnel conseil constitutionnel moi qui gardien qui yor charte mon moo mën wax nak kan mo meuna candidat mais bu nexé dof bi mu ne dama meuna a candidat que xam nañ ni constitution dafa il faut avoir 35 ans il faut savoir lire écrire li moy conditions yi li moy conditions yi hum. mais yow monde nga xam ni remplir aux conditions yi nga ne dama nga jël sa dossier nga dem déposer donc dama séparer ñaari mbir donc moi, tax ma bëggone la dag parce que raisonnement donc construire ci lo xamni ni waxuma ko li nga wax lolu xam ñun ñep xam nañ ko donc néewuma encore une fois l'intention de candidature je confirme je persiste je signe sénégalais bu mu neex nga jog na bëgg na nek candidat d'ailleurs euh, fiche parrainage ah, est-ce que comprendre comme neex nga jog nga ne mais boo ko a nga dajale sa choono dajale sa dossier bo ñëwee conseil constitutionnel moy bi dossier eh, pour preuve ñaata candidat a fi candidats du deux 250 deux est-ce que 250 candidats lañu am. ça veut dire ils ont l'intention de candidature l'intention de candidater l'intention de candidater ne veut pas dire que tu seras candidat lool la wax et lool c'est très clair ça n'a rien à voir avec les conditions maintenant pour être candidat et la liste définitive des candidats le conseil constitutionnel donc suñu nous accordons au principe qu'on ku le débat ba am sa débat bopp la su la neexee nga propagande ces militants su la neexee nga propagande construire foyer sa construire lu mobiliser lu rester mobiliser ces militants mais man amna droit ne loolu duma ci wax li concerné euh, débat de la même façon quand le débat parce qu'on a des débats stériles parce que y a que le conseil constitutionnel qui va dire qui sera candidat Nous, dañuy dalal seen xel mais mais pour preuve moi je fais partie du pouvoir suñu nous, ñun ñooy dem ñooy agité diw mënul nekk candidat man nee la débat nous, du suñu yoon nekku si man donc quel intérêt man ñëw n'a fi ne débat boobu du suñu yoon nek ci xaw mën mënul duma ci débat parce que concerné wu c'est un débat partisan qui concerne une entité bugguma sax duggu parce que boy retirer fiche de parrainage Bonne qualité vous pouvez retirer bonne qualité. bonne qualité mandataire bonne qualité le retirer fiche bonne qualité bonne qualité mon nom est si bonne qualité. les citoyens. kon Elkanda du candidat indépendant. Eh, ah, non non des ah, citoyens. mais il y a deux citoyens. pour retirer lesquels. l'indépendant ou quelqu'un qui est indépendant soit soit vous agissez en votre nom personnel soit vous agissez en qualité de mandataire ah, ben, de parti légalement constitué. non non lu <laughs> non la Non, non non non non non. non non non non non non non non la non non non non non non non non non la non non non non non mandataire non non non mais c'est des citoyens il soit à titre personnel. non non indépendant que que candidat individuel. les personnalités. Mhm. indépendantes

moi gars yi bi ñuy retiré désigné mandataire <laughs> soit <laughs> soit ci parti nga ko retiré comme indépendant. pourtant loolu la pour bu dee indépendant yow wax ne non indépendant. candidat indépendant parti légalement conscient parce que mënoo ma parce que nee naa la bëgguma dugg parce que ñoom. Euh, loolu suis xel <laughs> mais mais sax dugg si affaire Ousmane parce que man je suis je ne savais pas que. non je vous je savais pas je savais pas que soit Néné a invité un membre d'un parti dissous. non maître il est là en tant que. moi je suis leader politique. allié de Ousmane Sonko waaw déglu waaw moom laa lay wax ma ni fa voilà je suis leader politique. leader de la rencontre des patriotes du Sénégal. et allié de Ousmane Sonko. non je sais, je sais, fa laa jëm sama raisonnement. Je mhm. ne <laughs> damay tooñ nen rek. <laughs> <laughs> parce que vous me déggee euh, maître Abdelimi Wahib muy parce que je rencontre un leader d'un parti politique c'est ça qui doit me parler de son parti mm-hmm. de son projet oui mais on lui a posé des questions ah oui, mais j'ai répondu. oui ah, maintenant maintenant maintenant maintenant maintenant chaque parti peut mm-hmm. être allié euh, avoir un allié c'est une cuisine mais je dis encore une fois parce que nee yow yaa ma a donc précisément première chose <laughs> li nga xam ne li nga wax parlons de programme non dafa naa jëm jëm xam pour que sénégalais bu la neexee <laughs> nga am ans ni mais nga donc c'est pas un débat D'accord. Le débat, c'est comme sur le troisième mandat, on dit c'est le Conseil constitutionnel qui peut afficher la liste des candidats. Mm. Donc, nous avons débat. Le projet, il est autre. Le projet, c'est que les gens travaillent à discréditer tout l'argumentaire, tous les éléments de langage, à discréditer les institutions du pays, à discréditer le système électoral, à discréditer notre pays. C'est ça l'élément de langage, parce que les gens n'ont jamais abandonné le projet. C'est vrai, ils ont échoué mais euh, ni ñi crise crise euh, crise préélectorale crise post électorale leur entreprise c'est de créer les conditions d'une crise électorale et les conditions d'une crise post-électorale là il faut que les Sénégalais ce qui mais à soit conscient c'est-à-dire que ni il n'y a pas de débat électoral au Sénégal il n'y a pas de débat électoral. Il y a plus de 250 prétendants qui ont retiré des fiches de parrainage, qui sont en train de sillonner le pays pour collecter des parrainages, qui vont déposer leur dossier de candidature. le Conseil constitutionnel, seule habilité, affichera la liste des candidats. Et vous beaucoup afficher lolo, C'est ça la vérité. Donc en ce moment-là, ce débat-là, je dis encore une fois, c'est un débat. Il ne faut pas que les gens, les Sénégalais, acceptent d'être divertis. Mais, mais, mais, mais là ah, où si vous le permettez. Avec, avec, avec, avec Aliou. Moi, je suis d'accord. Mais, euh, mais, mais, euh, parlons du Conseil constitutionnel. Non, d'accord. Allez, je retire mes propos. Je retire mes propos. Non, je les retire. Alors, là où je suis d'accord, maintenant, parce que beaucoup me savent, j'ai beaucoup de respect, parce que, bon, on discute pour pour éclairer, pour pour le débat dans ce pays. c'est ça d'accord tu peux être dans la propagande. non non un gouvernement. oui. du peuple. par le peuple. est-ce que toi maître tu peux me regarder dans les yeux ne je fais pas partie du peuple sénégalais. <laughs> Pour dire quoi, Parce qu'il a dit on n'a pas un état de droit, parce qu'on n'a pas un gouvernement qui gouverne pour le peuple. Un, état de droit, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et on n'a pas ça. C'est ce qu'il a dit. Oui, et je peux le démontrer techniquement. Bah, man, je ne suis pas du peuple. Ah non, je Macky Sall, il n'est pas du peuple. Non, moi je n'ose pas Est-ce que le gouvernement, le gouvernement du Sénégal, ce qui gouverne le Sénégal, Macky n'a pas été élu au suffrage universel à 58,26%. Ce n'est pas le peuple sénégalais qui l'a élu. L'Assemblée nationale du Sénégal, PASTEF n'a pas, ex-PASTEF, n'a pas 56 députés. <laughs> Vous le reconnaissez. Ce ne sont pas des représentants du peuple sénégalais. Mais ça, ils incarnent les institutions. Nous nous les dans les institutions. Vous êtes 56 à l'Assemblée nationale. Vous vous gargarisez, vous avez 120 institutions municipales. Mais ils ne représentent pas le peuple sénégalais. Qui dirige la mairie de Dakar C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit cohérent dans ce qu'on dit. Qui dirige la mairie de Dakar Qui dirige pratiquement la quasi-totalité des communes du département de Dakar C'est-à-dire que vous ne pouvez pas assurer. Et ces gens-là, ils ne travaillent pas pour le peuple sénégalais. C'est-à-dire que lolo, xam nga, xam nga, sens. Parce que hmm. là, aujourd'hui, la gouvernance du Sénégal, l'institution législative, c'est une institution équilibrée. et